bi bu ñu la koy laaj aussi c' est parce que yow yaa jiite conseil d' administration bu hôpital Bantamba euh, fan yii passé am jéer yu fa xewoon ba ñu koy jooy ba léegi waaye nag ñu dégg nii ba tey daal am na ay malversation euh, ay détournement de fonds ak yu demee noonu est ce que loolu euh, àgg na ci sa nopp. waaw egg na ci sama nopp ba jël nañ ci matukaay yan ca war a jël ca moment bañ ko déggee mooy. des mesures conservatoires en écrivant au ministère de tutelle euh, qui est le ministère des finances qui avait affecté quand même euh, et ça biñ koy def fait que l'expert comptable avait euh, n'a pas validé les comptes nous n'avons pas ce jour-là validé les états financiers les choses suivent leur cours et yaakaar naa ni bala ñu cee mën a prononcé dañuy xam la véracité wala ndax fu bo déye bi nan lañ ko mën a chiffré mais daal loolu lu am la dégg nañ ko jël nañ suñuy matuwaay bañ ko waree jël ànd ceeg directrice bi parce que nag li ngeen di fàtte mooy le conseil d'administration a un rôle majeur à jouer dans l'administration de l'hôpital nag mais c'est la directrice qui s'occupe de la gestion mais daal lañ ca war ca moment boobu mooy euh, approuver les comptes administratifs, les états financiers. Euh, le conseil d'administration s'est réservé le, droit de ne pas les approuver au moment où il y a une malversation qui a été soulevée. Euh, donc en écrivant à la fois aux payeurs, au directeur de la comptabilité générale, au ministère des Finances et du Budget et au président de la République, tout simplement.